The forum the forum, the forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum the studio le forum the studio le forum the studio le forum the studio le forum the studio le forum Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être à l'écoute du forum du studio Kalangou au micro Hamadou Moumouni. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés à Niamey sur Alternative FM 99.4 et Enfani FM 100. Vous pouvez aussi nous suivre à travers le réseau des radios partenaires dans l'ensemble des chefs de des Nous sommes aussi présents à Arlit, Filengue, Berlingaure, Tirozeri, Magaria, Mainesoroa, Tamaské, Bouza, Dolbel et Saï. À la une de ce forum de ce mardi 31 janvier, nous faisons cap d'abord sur DIFA avec l'ouverture hier de la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2017. C'est au total 10 affaires criminelles impliquant une douzaine de personnalités qui seront très examinées et jugées durant la semaine que va durer ces assises. Le premier substitut au tribunal de grande instance de Zender nous en dira plus. Nous restons dans la région de Difa, à Ménesoroa plus précisément, où on a parlé de paix, de civisme, de migration régulière lors du forum qui s'est tenu du 27 au 29 janvier dernier. Ce sont deux députés qui ont eu cette initiative. Le forum a regroupé des chefs coutumiers, des chefs religieux et tous les groupements Peul qui gravitent autour de la localité. Le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, c'est le président guinéen, professeur Alpha Condé, qui est désormais le président d'exercice de l'Union africaine. Et le ministre tchadien aux Affaires étrangères Moussa Faki Mohamed prend lui la présidence de la Commission de l'Union africaine pour Mohamed Toukaka Toudou, responsable en charge des questions de la jeunesse à Alternative Espace Citoyen. Les défis socio-économiques et sécuritaires doivent être les principales priorités des deux nouveaux responsables de l'Union africaine. Par la suite, nous allons parler du récent décret du président américain d'interdire aux citoyens libyens, soudanais ou encore somaliens d'immigrer vers les États-Unis d'Amérique. C'est une décision anticonstitutionnelle qui est lourde de graves conséquences selon Maître Bachir Amadou, doctorant en droit international à l'Université de Toulon en France. Oui, l'ouverture hier lundi à DIFA de la première session de la Cour d'assises au titre de l'année 2017. Au total, 10 affaires criminelles impliquant, impliquant 12 personnes seront examinées et jugées pendant une semaine. Moussa Boubacar Harissou, premier substitut au tribunal de grande instance de Zender, explique tout cela au micro de Adam Baboukarna, notre correspondant dans la région de Difa. C'est la première session de la Cour d'assises de DIFA au titre de l'année 2017. Les sessions étant se tenant tous les six mois, c'est possible que nous revenions dans six mois. La présente session elle-même, nous sommes venus avec euh, dix affaires criminelles. Les affaires criminelles euh, impliquent euh, douze personnes qui sont jugées. Donc il y a un cas d'assassinat. L'assassinat, comme vous le savez, c'est le fait de donner la mort volontairement et aussi le prémédité. C'est ça la différence avec le meurtre. un cas de meurtre suivi de coups et blessures volontaires avec arme. Le meurtre, c'est le fait de vouloir donner la mort et de la donner effectivement, qui est suivi de CBV, cause de blessure volontaire avec arme. Il y a un autre cas de meurtre, donc deux cas de meurtre et détention illégale d'armes à feu. Il y a un cas de tentative de meurtre. La tentative, donc, c'est le fait de commencer et que ça soit suspendu par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Il y a un cas de tentative de meurtre suivi de cause de blessés volontaires aussi avec arme. Il y a un cas de viol aggravé, c'est un viol commis sur une mineure de moins de 13 ans. Un cas de viol simple, donc ça c'est un cas de viol simple, pas aggravé. Et quatre cas de coups mortels avec arme. Les coups mortels avec arme, c'est le fait de porter des coups volontairement, sans intention de donner la mort, mais que les blessures provoquées par ces coups entraînent la mort. Donc l'auteur des coups n'avait pas l'intention de donner la mort, il a donné ses coups, mais la mort s'en est suivie. C'est ça la différence avec le meurtre où on a délibérément voulu donner la mort et on l'a donné Donc voilà les cas qui sont examinés au cours de cette session qui va durer une semaine. Hormis vous les juges, et les jurés. Est-ce que leur rôle a joué mais naturellement, les jurés ont un grand rôle à jouer parce que les jurés, c'est des gens qui ont une certaine euh, honorabilité, qui ont été proposés par les autorités administratives locales et la liste euh, est envoyée au, à Niamé au ministère de la Justice et c'est une liste, un arrêté conjoint du ministre de la Justice et du ministère de, de l'Intérieur qui fait qu'ils sont désignés jurés pour assister les juges professionnels et qui jugent les gens. Les jurés, dès lors qu'ils ont prêté seulement, ont les mêmes attributions et les mêmes pouvoirs que les juges professionnels et c'est avec eux qu'on juge, a quatre mm. jurés et trois juges professionnels. Et même les, les votes euh, s'agissant des peines se font par voix à chaque juré, à une voix, chaque juge aussi à une voix. Donc c'est des vrais juges. À partir de l'heure, de la durée de la session, ils sont des juges comme les juges professionnels. Vous avez dit ça va durer combien de temps Ça va durer une semaine. Alors la semaine peut suffire pour juger tous ces 12 cas Oui, la semaine peut bien suffire pour juger ces 12 cas. C'est un programme, on a fait notre programme et ça peut bien suffire pour juger ces 12 cas. Voilà, vous venez de suivre le premier substitut au tribunal de grande instance de Zender, Moussa Boubacar Harissou, euh, nous a donné plus d'explications sur la première session de la Cour d'assises 2017 pour la région de Tifa. Et c'est au total 10 affaires criminelles qui vont être examinées et jugées pour 12 personnes. regrouper les populations des villages des alentours du canton de Ménin-sur-Roi et échanger avec elles sur les questions de sécurité, de paix, de civisme, de migration irrégulière. C'est l'objectif visé par le forum tenu du, 27 au 29 janvier dernier à Ménin-sur-Roi, dans la région Difa, à l'initiative de deux parlementaires de la région. Ce forum a regroupé l'ensemble des groupements Peul qui gravitent autour de Ménin-sur-Roi mais aussi les chefs coutumiers, les chefs religieux, les acteurs de la société civile ainsi que les autorités administratives et municipales. Goum s'est entretenu ce matin avec Madame Gogé Maimouna Gazibou, la directrice générale de l'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes. Elle a participé à, à ce forum. Je vous propose de la suivre. Il a été organisé un forum sur les questions de paix, de sécurité, de civisme, de migration irrégulière entre deux localités de la région de Difa. Le forum avait pour objectif de faire venir l'ensemble des groupements Peul tout autour de sur roi pour discuter des enjeux de la sécurité, de l'éducation des enfants, du suivisme, de la migration irrégulière et vraiment de l'avenir de ces communautés. Et nous, en tant qu'Agence nationale de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, nous avons appuyé le projet parce que nous estimons qu'il était très pertinent que, dans les situations d'insécurité, beaucoup de citoyens se déplacent. Il était important qu'on attire leur attention sur les dangers inhérents à la migration irrégulière que souvent dans le cadre les déplacés et les réfugiés rencontrent beaucoup de difficultés et sont exploités dans le domaine de la traite et c'est pour ça que nous avons accompagné ce projet. Ce projet, il a été au forum. Toutes les autorités coutumières ont répondu présents, à savoir les chefs de groupement Peul, les chefs de canton, les autorités religieuses, l'État à travers ses différents services concentrés, la société civile et surtout ce qui est extraordinaire, c'est la mobilisation de ces populations-là qui sont quand même des populations qui sont plus ou moins des populations mobiles, mais la mobilisation était telle que on se demandait si on était vraiment dans une zone d'insécurité. Ça a été un forum réussi à tout point de vue au regard de la mobilisation, au regard des intérêts des thématiques. Il a été parlé d'éducation qui est indispensable pour ces communautés-là qu'elles comprennent que la réponse face à la répression, face à l'oppression, la réponse face à la pauvreté, face à l'ignorance, c'est l'éducation. Et c'est vraiment comment des communautés communautés peuvent agir ensemble pour avoir une éducation de qualité. Il a été question de civisme, la nécessité pour ces communautés, même si ce sont des communautés qui bougent beaucoup, qu'elles sachent qu'il y a des impôts à payer et que ces impôts qui peuvent permettre à ces euh, localités-là de pouvoir accompagner les autres régions et faire du Niger un tout. Si vraiment les députés pouvaient avoir ce genre d'initiative au niveau communautaire, au niveau régional, ça ne peut être que des initiatives que nous autres agences nationales euh, et autres partenaires techniques et financiers vont appuyer parce que le plus d'un forum, c'est qu'il réunit toutes les sensibilités. Toutes les personnes de la localité se sont euh, senties interpellées. Les médias étaient là et ça a été un bel forum. J'espère qu'il y aura d'autres forums semblables et que nous autres acteurs en charge des questions de la migration irrégulière et de la traite des personnes, nous allons avoir ce genre de forum pour aussi faire porter les questions de traite et de migration irrégulière dans ce genre d'environnement parce que c'est des thématiques qui touchent à l'ensemble l'ensemble des populations. C'est des thématiques que vous rencontrez dans toutes les formes de déplacement. Chaque fois que vous aurez un camp, vous aurez des victimes de traite et vous aurez des victimes, des gens qui seront tentés d'aller eh, chercher un avenir meilleur ailleurs et qui se voient exploiter. Donc c'est vraiment ce genre de forum que nous recherchons pour appuyer et faire passer notre discours. La population commune, elle a perçu ce forum Ce qui est extraordinaire dans ce forum, c'est de voir que euh, une certaine cohésion. Ça te fait comprendre à quel point le niveau communautaire peut être vecteur du développement économique, du développement social, du développement culturel. C'est que personne ne s'est posé des questions de manière très très spontanée, de manière très très intéressée. On se retrouvait à une foule au-delà de nos espérances. On ne s'attendait pas à une telle mobilisation, on ne s'attendait pas à un tel engouement. Ça faisait plaisir voir de voir que les communautés peuvent partager des choses nationales entre elles sans qu'il n'y ait de clivage. Il y avait beaucoup de culturels, il y avait beaucoup de faits de mais le tout était de voir à quel point ces communautés étaient heureuses de se retrouver, heureuses d'échanger, heureuses de porter des questions qui touchent à l'ensemble de la communauté, parce que c'était de cela qu'il s'agissait. Il y a des difficultés, on est dans un état de sous-développement, comment faire en sorte que les communautés se retrouvent, parlent entre elles. Lorsque une communauté se décide à ouvrir ses yeux pour voir les dysfonctionnements et ce qui ne va pas, c'est la meilleure façon pour la communauté de sortir du problème. Le tout n'est pas de se refermer sur soi. Le tout n'est pas de taire les problèmes. Et là, quand ce sont des députés nationaux qui portent euh, la thématique, c'est que les communautés ont voté pour ces députés-là. Donc, elles écoutent. Et c'était ça l'intérêt. C'est l'intérêt de voir à quel point la représentation parlementaire peut attirer des foules et peut être écoutée. Et je pense que les thématiques portées ont été écoutées. Je pense que les recommandations vont donner quelque chose. Et on ne peut que remercier et féliciter la réussite d'un tel événement. L'initiative de ces parlementaire de cette région est vraiment un exemple. Et d'autre part, euh, le chef de canton de Ménézoroa aussi a initié une certaine rencontre avec tous les chefs de village qui sont dans son entité. Périodiquement, chaque mois, il fait des rencontres pour parler un peu de ce qui est la vie donc, euh, de la région. Que pensez-vous de cet exemple Ce que je pense, c'est que lorsque vous regardez ce forum, d'abord vous réalisez à quel point la chefferie traditionnelle a sa place au Niger. Parce que quasiment toute la chefferie était là et lorsque la chefferie est là, c'est que euh, le citoyen lambda écoute. Ça, c'était l'une des victoires dans l'organisation de ce forum, c'est toute la chefferie était là. La seconde victoire, c'est de voir à quel point les gens sont heureux de vivre ensemble. Voir à quel point quand les communautés sont soudées, il est difficile de les atteindre, il est difficile de leur faire du mal. Et je pense que ces rencontres périodiques ne peuvent que amener beaucoup plus de cohésion et de compréhension dans le vivre ensemble, dans le savoir vivre ensemble. C'est ça la leçon de morale pour moi. Et même nous qui sommes venus du bout de l'autre côté du Niger, c'était que du plaisir de voir que les communautés peuvent vivre intelligemment ensemble. C'était des personnes qui étaient très ouvertes, qui avaient envie de nous montrer une certaine culture qui tend à disparaître, une certaine authenticité du Niger. Et quelque part, c'est la culture du Niger qui a parlé ce jour-là. Quelque part, c'est des choses qu'on pensait qui n'existaient plus, comme le charreau que j'ai eu du plaisir à voir. Ce sont ces valeurs culturelles qui sont ressorties et il est bien de, de temps en temps de permettre aux communautés d'exprimer ces valeurs qui, en réalité, font leur identité. C'était bien et je pense que de plus en plus, dans toutes les thématiques comme traite, migration irrégulière, on a intérêt à aller vers la chefferie traditionnelle pour, si on veut être accompagné et compris. Parce que si les populations se sont autant mobilisées, c'est parce qu'ils ont compris l'appel des chefs de canton. C'est eux qui ont drainé une telle mobilisation, c'est eux qui ont réussi et ce qu'on a vu amener son roi. Votre dernier mot Mon dernier mot, c'est que tout le Niger gagne à voir ce genre de forum. Déjà, c'est quand même une rencontre culturelle extraordinaire qui, par, qui permet à l'ensemble des citoyens nigériens de s'accorder sur des valeurs clés de la République, qui est la cohésion sociale, le savoir vivre ensemble, le respect de l'identité de l'autre sans perdre sa propre identité. Un pays ne vaut, je pense, que par sa culture. La culture est vecteur. Elle permet aux communautés de se sentir singuliers. On ne dit pas qu'il faut que le pays repose uniquement et essentiellement sur sa culture mais le vecteur culturel, c'est quelque chose avec lequel il faut compter. Et c'est vraiment un Niger extraordinaire que j'ai vu ce jour-là. Parce que c'est ce genre de forum qui te permet aussi de savoir que le Niger, ce n'est pas que pauvreté. C'est le Niger, c'est de la richesse culturelle aussi. Merci, madame. Merci à vous. Madame Gauje Maimouna Gazibo, directrice générale de l'Alliance nationale de lutte contre la traite des personnes, elle a participé au forum euh, du 27 au 29 janvier dernier à roi dans la région de Difa, pour discuter euh, des questions de sécurité, de paix, de civisme et de migration irrégulière. L'Union africaine maintenant avec euh, le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement euh, qui a consacré l'élection du ministre tchadien aux Affaires étrangères Moussa Faki et à la présidence de la commission de l'Union africaine et bien entendu euh, le président guinéen professeur Alpha Condé qui est lui élu président en exercice de l'Union africaine. Selon Maman Kakatouda, responsable en charge des questions de la jeunesse alternative espace citoyen, les défis socio-économiques et sécuritaires sont les plus grandes attentes des populations en Afrique. Je vous propose de le suivre au micro de Mokhtar Hamadou. Le 30 euh, janvier 2017, cette date va certainement rester gravée dans la mémoire euh, du peuple africain même euh, du peuple au niveau mondial parce qu'on avait pensé que ce sommet allait être un sommet ou une rencontre de division parce qu'au vu des sujets qui sont à l'ordre du jour, notamment de la question de la rentrée du Maroc qui veut revenir au sein de l'Union africaine après avoir fait à peu près 30 ans hein, pour quitter, il y a aussi la question de l'élection surtout du président président de la commission de l'UA. Aujourd'hui, je pense que la diplomatie tchadienne, la diplomatie vraiment du président sortant en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby a vraiment pesé, étant donné que les gens n'ont pas du tout pensé que euh, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Faki, allait être. Mais à l'issue de plusieurs tours, il y a jusqu'à ce au septième tour qu'il a été élu. Avant, c'était le système de consensus qui prévalait dans la désignation des présidents de commissions et des sous-commissions. Maintenant, il y a eu ce qu'on appelle la réforme du président Paul Kagame, qui consiste désormais à élire les présidents de commission, les, différentes, les différents dirigeants. Et c'est cette nouvelle réforme qui a fait en sorte qu'il euh, il y a eu des élections. Je pense qu'il a énormément de défis à relever. Vous savez que l'espace Sahel aujourd'hui regorge énormément de difficultés. Il faut avoir des gens qui peuvent avoir une certaine vraiment prise de position souvent très courageuse face à certains enjeux qui guettent notamment l'espace, notamment la question sécuritaire, la question de l'extrémisme violent, la question de la radicalisation des jeunes. Et l'espace Sahel est en train de devenir et même est devenu vraiment un sanctuaire des djihadistes et des terroristes. Sur le plan sécuritaire, est-ce que euh, l'élection de Moustapha Ki Mahamat n'est pas la bienvenue du moment où le Tchad est confronté à un défi sécuritaire majeur autant que le Niger euh, Le Tchad faisait partie des pays qui combattent Boko Haram. Oui, mais effectivement, c'est ce qui a surtout pesé la diplomatie. C'est ce qui a fait croire à beaucoup des États à dire que mais de ces deux candidats, le mieux placé pourrait être certainement le, candidat tchadien. Pourquoi Parce que quand même aux premières heures des attaques au Mali, aux premières heures des attaques ici au Niger par Boko Haram, d'imaginer des milliers, des centaines, en tout cas des soldats tchadiens ont perdu de leur vie et ils se sont engagés corps et armes sans attendre des consignes de quoi que ce soit. Ils se sont montrés vraiment capables physiquement de combattre ces gens. Je pense que ce n'est que service rendu. Ce n'est qu'une reconnaissance, ce n'est que de la justice qui a été rendue à ces gens-là. Normalement, on devrait même, c'est vrai aussi le principe de l'élection, c'est ça hein, le principe le plus démocratique. Nous, on avait toujours été de ceux qui pensent que le système de consensus là, euh, de l'ordre alphabétique là, il faut laisser et puis mettre la question du profil des compétences des uns et des autres devant pour qu'on aille aux élections. Et c'est vraiment une justice qui a été rendue. Et en ce sens, je pense qu'il va certainement sous la houlette du président Déby, il va davantage le, le, faciliter, le booster à travailler, peut-être même à impulser une certaine dynamique au président en exercice, le nouveau président en exercice de l'Union africaine, qui est le professeur al Condé. Peut-être, euh, certainement, ils vont travailler de concert pour élever ces défis, sécuritaires là ensemble et sur le plan social, la jeunesse euh, désorientée, la jeunesse euh, en chômage. Est-ce qu'il y a des défis à relever à ce niveau Oui, effectivement, il y a des défis parce que le sommet même, n'oublions pas, le 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, porte, le thème général porte sur la jeunesse. Comment tirer profit du dividende démographique, notamment en impliquant davantage la jeunesse au cœur de ces défis-là. Donc, le thème général même parle. En réalité, les questions de la présidence de l'UA, les questions de la arrivée de Maroc et la question de la commission de l'UEA, tellement que ça a pris de l'ampleur qu'on a même oublié le thème général qui porte sur la jeunesse. Mais je pense que ce n'est pas un oubli. La journée d'hier a été consacrée à ces trois sujets phares et aujourd'hui, certainement toute la journée, eh, les chefs d'État et de gouvernement vont discuter longuement et largement sur les questions de la jeunesse, qui est aussi le thème général de, cette, de ce 28e sommet des chefs d'État et de gouvernement. normalement comme tu l'as dit, effectivement, comme comme tu l'as dit, nous sommes confrontés au problème du chômage, nous sommes confrontés au problème de l'emploi, nous sommes confrontés à énormément de problèmes. Et le défi reste grave. Il faut que nos chefs d'État et de gouvernement vraiment puissent enfin se, convaincre que investir dans la jeunesse, c'est vraiment investir dans le développement de l'Afrique. Il ne faut pas que notre taux démographique soit vraiment une source de problème pour eux, mais plutôt ils doivent considérer comme un atout majeur qu'ils doivent mettre en valeur si on veut que le, le continent africain progresse. Tant qu'on n'a pas cette mentalité, quand on pense que le fort taux démographique de la jeunesse constitue une menace, de là, je pense qu'on a déjà tout raté. Euh, on ne va pas s'en sortir du cercle vicieux dans lequel C'est qui fait que cette frustration, cette cumulation de frustrations euh, qui fait en sorte que les gens sont aujourd'hui en train de, rentrer. Ils sont prêts à signer des pactes même avec le diable pourvu qu'ils trouvent de l'argent, pourvu qu'ils trouvent un emploi. c'est ce qui explique la question de cette question de radicalisation, de l'extrémisme violent qu'on ne connaissait pas avant. Aujourd'hui, nos États sont obligés de faire face à cela. Quand tu, prends les différents pays, n'ont même pas de plan d'action, n'ont même pas de stratégie véritable de lutte contre ce phénomène. C'est maintenant au plan régional qu'ils sont en train de mettre euh, un mécanisme en pral au niveau du G5 Sahel pour avoir une stratégie sous-régionale dans les cinq pays du G5 Sahel. Euh, alors que même pour avoir une stratégie sous-régionale, il faut que chaque pays ait son plan national d'éradication de ce phénomène parce que chaque pays a ses spécificités, chaque pays a ses problèmes euh, culturels, sociaux, politiques et autres. Sur le plan économique, le maître mot qui revient au niveau des discussions, c'est l'abandon du franc CFA. Que pensez-vous à ce niveau ben, écoutez, euh, vous savez que je rappelle et je salue d'ailleurs le courage du président en exercice de l'Union africaine Sorta Idriss Déby qui, euh, même si au fond je ne sais pas s'il est convaincu de ce que, mais quand même du point de vue théorique, il fait partie des chefs d'État qui pensent que on doit se dépasser. Il faut qu'on ait notre propre monnaie à nous. Imaginez aujourd'hui, après plus de combien d'années d'indépendance, on continue à utiliser l'argent des autres. Aujourd'hui, l'Union africaine, c'est quand même 54 et plus le Maroc qui vient d'arriver, ça fait 55 États. Comment 55 États ne peuvent pas euh, se concerter ensemble et avoir une monnaie unique L'Union européenne, ce n'est que 27 ou 28 ou 28 ou 27 avec maintenant le départ de l'Allemagne. Eux, ils ont leur monnaie. Quand tu prends l'Amérique, ils ont leur monnaie. Je pense que aujourd'hui, la question d'avoir notre monnaie unique et d'abandonner le franc CFA, c'est une question capitale. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion que vous me donnez pour inviter l'ensemble de la jeunesse nigérienne à se mobiliser le 11 février à venir. On aura une grande conférence ici au niveau des alternatives pour dégager la position de la jeunesse sur cette question du franc CFA. Faudra-t-il rester dans la zone CFA ou faudra-t-il envisager de notre sortie Et nous allons avoir d'imminents conférenciers et je vous invite également à venir partager avec nous euh, ce moment important qui va venir. La création d'une monnaie unique dans la zone CDAO a été quand même euh, au cœur des préoccupations de nos chefs d'État. Il y avait eu beaucoup de réunions qui se sont tenues, dont notamment ici à Niamey. Jusque-là, ça bloque concrètement. Selon vous, est-ce qu'il faut relancer euh, ce processus Non, c'est pas qu'il faut relancer, mais il faut accélérer, on allait dire. il faut accélérer, pourquoi Parce que le président euh, Mamadou Issoufou, je crois que euh, c'est lui et notre chef d'État qui sont en charge de suivre ces questions. ils ont pris comme échéance l'année 2020. Et aujourd'hui, nous sommes juste en début 2017. C'est vrai que on a beaucoup perdu du temps avant de venir. Et je pense que pour aller à 2020, il nous, nous, reste plus que deux ans et quelques, au maximum trois ans. Je pense que de la même façon dont ils se sont permis sur le plan national et international de redonner confiance au peuple africain que à l'issue de l'année 2020, on aura notre propre monnaie. Je pense que cette promesse sera tenue et je fais partie de ceux qui croient à cette promesse, sauf maintenant s'ils vont nous décevoir encore à nouveau. Sinon, la marche engagés et nous allons les accompagner. Et tout ce que nous sommes en train de faire, c'est de leur pousser, c'est de leur donner un allant, c'est de les propulser à aller rapidement d'ici 2020 vers cet idéal-là. Sans ça, on ne peut pas s'en sortir. Autre défi de l'Afrique de l'Ouest, c'est celui lié au phénomène migratoire. Est-ce que le nouveau président de la Commission de l'Union africaine est attendu sur les questions de migration? vivement attendu. Et d'ailleurs, vous me permettez de, cette occasion pour vous rappeler de notre rencontre de la jeunesse qui a eu lieu en prélude au sommet Afrique-France, qui a eu lieu à Bamako le mois dernier. Mais la jeunesse a vivement réagi par rapport à cette question. Et j'ai finalement compris que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde entre nos différents chefs d'État et de gouvernement et nous, les jeunes, parce que s'agissant de cette question. Vous savez que nous avons ce qu'on appelle le protocole, le protocole sur la libre circulation des personnes et des biens qui a été signé depuis dans les années 74. Et nous se trouve que nous vivons dans un espace sous-régional qu'est la CDAO, n'est-ce pas Et il se trouve que nos chefs d'État sont, en dépit de l'existence de ce protocole, en train de signer des accords avec l'Union européenne. Et ces accords disent remettre en quelque sorte, remettre en cause les principes directeurs de la libre circulation des personnes et des biens contenus dans ce protocole de la CDAO. Les jeunes ont clairement réagi. Et je vous rappelle, pour mémoire, en pleine intervention, l'ambassadeur de la Grande-Bretagne a été hué, il a été arrêté dans, dans ses interventions. Michael Jean, la secrétaire générale de l'OIF, était là parce qu'il y avait un communicateur qui a fait ressortir que l'aide publique au développement envoyée, par exemple, au Mali n'atteint même pas ce que eh, les migrants envoient comme par année. Et ça, ça a amené Mais Il y avait une dame qui a surgi pour dire que eh, vous voulez que cet argent que nos parents nous envoient, vous les arrêtez donc c'est pour vous dire que sur cette question, moi, personnellement, en ce qui me concerne, et la jeunesse en général, attend beaucoup du nouveau président en exercice de l'Union africaine et surtout du président de la commission de l'UA pour qu'il donne la parole à la jeunesse. Qu'est-ce que les jeunes pensent par rapport à cette question de la migration Parce que certains pays, en réalité, ce sont des pays de transit, d'autres aussi, ce sont des pays d'accueil, mais chaque pays a ses propres spécificités. Et surtout pour le cas du Niger, ce qui est un peu vraiment décevant, c'est que nous, nous nous sommes permis, euh, nous nous montrons un peu comme des gendarmes dans cette question, parce que le fait de dire que euh, c'est dans ce cadre de, cet accord de réadmission, prendre un Burkinabé, un Malien, un Nigérien en Europe, l'amener ici au dépertoire, entre guillemets, le Niger, parce que vous l'amenez, vous le versez à partir du Niger et que les gens se débrouillent pour entrer, ça c'est vraiment euh, une chose que je déplore euh, vraiment de mon point de vue qui d'ailleurs le peuple malien a catégoriquement rejeté à travers la jeunesse. Et vous avez vu, ils ont contraint le ministre des Affaires étrangères euh, la dernière fois en France à animer un point de presse toute une journée pour expliquer qu'ils n'ont pas signé. au même moment où il y a eu le sommet euh, Afrique-France, le président Ibeka face à France 24, il a affirmé et réaffirmé qu'il n'a jamais, le Mali n'a jamais signé un accord de réadmission et ne signera pas cet accord de réadmission. Et je pense que par rapport à cette question, il faut qu'il y ait un débat national dans chaque pays pour donner la parole à la jeunesse, pour voir leurs attentes par rapport à cette question de la migration, pour qu'on ait en phase avec euh, certaines décisions ou certaines prises de décisions, prises de position avec nos chefs d'État. vous venez de suivre euh, Maman Kaka qui est le responsable en charge des questions de la jeunesse à Alternative Espace Citoyen. Il dessiné les défis sociaux, économiques et sécuritaires qui attendent le nouveau président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki et le président d'exercice de l'Union africaine, Alpha Condé. Le président américain Donald Trump a récemment signé un décret interdisant aux citoyens de plusieurs pays, dont la Libye, le Soudan ou encore la Somalie, d'immigrer vers les États-Unis d'Amérique. Cette décision est lourde de conséquences graves et anticonstitutionnelles, anticonstitutionnelle, selon Maître Bachir Amadou, doctorant en droit international à l'Université de Toulon en France. Il est interrogé, il était jeune au téléphone par Mokhtar Amadou. C'est inédit dans l'histoire même des relations internationales. En fait, euh, quand on voit cette décision qui euh, selon le président américain, à tout point de vue, vise à mettre en fait des, mesures de contrôle, euh, de lutte contre le terrorisme. Je pense que cette décision peut être euh, interprétée euh, à plusieurs égards. D'abord, les conséquences euh, sont de plusieurs ordres. Déjà, au niveau des relations internationales, donc diplomatiques entre les États-Unis et ces pays-là, et pas que ces pays, il y a certains partenaires privilégiés aussi de ces pays. Vous l'avez vu aujourd'hui, la difficulté, en fait, dans un pays, c'est de pouvoir rester replié sur soi. Et c'est vraiment ce que les États-Unis sont en train de faire à, travers cette décision. Voilà les conséquences, c'est que il y aura beaucoup d'immigrés légaux en fait, qui seront privés euh, de, ce droit-là. Et c'est sur cet aspect, effectivement, que euh, une, les associations de défense euh, des droits des citoyens ont essayé de, de recourir aux tribunaux américains pour éventuellement pouvoir euh, annuler cette décision. Est-ce qu'on peut considérer cette décision de Donald Trump comme étant une décision raciste Raciste, peut-être pas, parce que vous savez, je dirais plutôt que c'est une décision euh, qui pourrait effectivement être euh, anticonstitutionnelle. Elle est inconstitutionnelle au regard même de la Constitution américaine. Vous savez, il y a le cinquième amendement dans cette Constitution qui, qui encadre de manière vraiment stricte les abus gouvernementaux et les menaces en fait euh, contre les personnes, surtout de la sécurité intérieure. Et à tout point de vue, il y a aussi euh, une série de lois qui s'appelle euh, Immigration and National Act, Acts qui encadre depuis 1965 les différentes lois d'immigration, les immigrés contre lesquels, si vous voulez, il y a parfois des motivations justement fondées sur la race, fondées sur le sexe ou la religion à l'époque, il y avait des quotas qui étaient attribués en fonction des nationalités. Et cette série de lois de 1965 qui s'appelait l'Immigration and National Act avait eu pour but d'abolir en fait toute cette série de lois discriminatoires. Donc, on ne pourrait pas dire que c'est raciste, mais plutôt c'est discriminatoire parce que, à tout point de vue, ils se fondent sur euh, la religion de ces, personnes-là. Et vous voyez, quand la décision du tribunal fédéral de Brooklyn avait euh, suspendu ce décret, euh, le, tribunal ne s'était pas prononcé parce que c'était un cas concret qui a été posé. C'était le cas de l'Irakien, des Irakiens qui ont été arrêtés le jour même où le décret a été rendu public alors que c'est des Irakiens qui ont servi dans le service secret américain. Donc, sur ce point, ils ont suspendu cela parce qu'ils ont estimé que toutes les personnes détentrices ou bien porteuses euh, du visa euh, légal ou bien du titre de séjour de la Green Card, la carte verte américaine, ne sont pas concernées par ce décret. Donc euh, la décision avait eu pour but de suspendre l'effet immédiat de ce décret qui s'appliquait sur des personnes d'origine ressortissante de ces pays mais qui sont en situation régulière. Ça, c'était le premier aspect. Et le second aspect, c'est qu'il fallait aussi que euh, ça puisse euh, s'encadrer, euh, ce décret. Il fallait que le, tribunal puisse aller au fond. Et c'est dans ce cadre que l'Union américaine pour les droits civiques et d'autres associations de, de, défense des réfugiés avaient essayé de saisir le tribunal fédéral de New York pour demander justement cette fois-ci au tribunal de, se prononcer au fond sur le caractère constitutionnel ou non de ces décrets. Et donc, euh, certainement, dans les jours à venir, le tribunal va pouvoir euh, se pencher sur euh, le caractère même, je vais dire, constitutionnel de ces décrets qui, à ton point de vue, ne l'est pas, parce qu'ils se fonde manifestement sur une catégorie bien précise. Donc, à ce titre, il pourrait être perçu comme étant discriminatoire. Et à tout point de vue, il a encore l'annulation. Si euh, la justice américaine donne raison à Donald Trump, est-ce que cette décision ne fera pas tâche d'huile ici en Afrique Est-ce que cette décision ne va pas toucher certains pays africains Bon, déjà, disons que moi, personnellement, euh, voilà, au regard des éléments que j'ai, je ne pense pas que la justice américaine donnera raison euh, à ces décrets. Et même dans le cas où ce sera fait, je pense que ça va anéantir ses effets parce que vous savez, euh, c'est à tout point de vue contraire aux, même aux lois internationales sur les statuts de réfugiés. Et c'est en cela que le décret n'est pas du tout cohérent. Il n'est pas cohérent avec euh, les lois internationales. Et vous avez vu l'Organisation internationale sur l'immigration et puis euh, l'ONU, disons, à travers l'Organisation internationale sur les migrations, et puis euh, le Haut Commissariat aux réfugiés avait rappelé euh, le devoir, les engagements internationaux, en fait, les engagements de, des États-Unis à, à, ce, propos. Donc, je pense que non. Mais maintenant, on peut peut-être, pourquoi pas, fait là-dessus et, et, poser l'hypothèse. Donc, dans l'hypothèse où il arriverait à confirmer cette décision, je pense personnellement que oui, euh, effectivement, les États pas seulement en Afrique, hein, de tout voir Mais oui, c'est vrai que les États africains vont devoir euh, se constituer en bloc euh, au, sein de l'Union africaine pour essayer aussi euh, effectivement de donner, d'apporter une réponse appropriée, parce que je pense que c'est à ce niveau aussi que ça va se passer, parce que aujourd'hui les intérêts américains sont manifestement en Afrique, donc il est évident qu'à ce niveau aussi, il faut aussi attendre à une évolution, sinon une certaine un calendrier qui sera un agenda qui sera un peu bousculé, je veux dire, dans les relations afro-américaines. Quelle interprétation peut-on faire de cette décision de Donald Trump Quelles sont les motivations réelles du président américain Non, c'est des motivations politiques. Vous savez, euh, euh, généralement, quand on fait une analyse euh, de ce genre, il faut se dire que euh, généralement, quand on fait des promesses de campagne, souvent, il veut être cohérent avec lui-même, il veut rester en harmonie avec ses promesses de campagne. Donc, dès qu'il arrive, les premières mesures qu'il va prendre, ce sont ces mesures-là. Maintenant, pour lui, l'important, c'est de prendre les mesures et de prouver à son électorat qu'il a tenu parole. Euh, que, que, la mesure soit validée ou pas, l'essentiel pour lui, c'est de l'avoir pris. Maintenant, si c'est un contre-pouvoir qui le, valide, qui l'invalide, au moins il aura à dire à son électorat que voilà, il a tenu parole et que, que ni été l'intervention peut-être des autorités judiciaires américaines, la mesure aurait été portée. Donc moi, à ce niveau, je peux vous dire que c'est vraiment véritablement politique. La preuve, c'est que ces pays qui sont cités, l'Irak, l'Iran, euh, la Somalie, le Yémen, euh, la Libye, euh, ou même encore le Soudan, ce ne sont pas les seuls pays, je dirais, musulmans, ce ne sont pas les seuls pays pouvoir de Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des intérêts américains en Arabie saoudite, au Qatar, ces mesures ne les concernent pas. Donc vous voyez bien un peu l'incohérence, en fait, ou même la, la mesure populiste si on peut l'appeler ainsi, parce que là-bas, il y a des intérêts commerciaux importants, donc il faut, il faudrait surtout pas frôler euh, euh, la crise diplomatique entre ces pays-là, donc il faudrait éviter. Là, ce sont des pays où les intérêts, à part euh, l'Irak ou, ou même l'Iran, les intérêts en fait euh, Américains ne sont vraiment pas euh, de grande importance dans ces pays. Donc je pense que c'est vraiment populiste. Hein. Après, bon, voilà, ce qu'il faut déplorer, c'est surtout le caractère euh, discriminatoire de cette mesure, parce hein, que euh, il contredit toutes les lois internationales sur les migrations et les réfugiés. Vous voyez, les réfugiés syriens, ils sont définitivement interdits de passer des cris. Pourtant, aujourd'hui, euh, c'est un devoir, un devoir moral et un devoir euh, du fait des engagements internationaux de ces pays-là euh, de pouvoir porter assistance à toute personne qui court un danger dans son pays. Et c'est le cas, effectivement, de ces tireurs là le président iranien a vigoureusement répondu à cette euh, décision euh, du président américain. Désormais, l'Iran aussi n'accepterait pas que des citoyens américains viennent s'installer en Iran. Est-ce que dans les jours à venir, on peut s'attendre à un réchauffement des relations diplomatiques entre ces deux pays je pense que euh, à ce niveau, il faut le dire, depuis plusieurs décennies, les relations entre l'Iran et les États-Unis n'ont jamais été stables. Donc c'est là où je pense euh, le président sortant, Barack Obama, avait gagné son pari en ayant ramené l'Iran sur la table de négociation, en ayant contacté, je veux dire, euh, des engagements avec l'Iran pour freiner son projet d'armes nucléaires. Donc euh, manifestement aujourd'hui, la décision de, Trump, elle vise à remettre en cause tout cet acquis-là qui a été fait. Et je crois que c'est en cela que les Occidentaux sont inquiets. Parce que vous savez, le président français s'est entretenu avec lui et il a rappelé effectivement l'importance de, cet engagement de l'Iran en fait à abandonner son projet d'armes nucléaires. Et je crois aussi que à ce niveau, la Russie euh, euh, s'aligne aussi dans le même ordre euh, d'idées et véritablement, euh, oui, l'Iran a, à appliquer la réciprocité, mais je pense que la mesure va être suspendue. Donc, euh, on l'espère en fait dans les jours à venir, et puis ça va pouvoir certainement calmer euh, les pressions, et ça va calmer aussi les ardeurs. Voilà, vous venez de suivre Maître Bachir Amadou. Euh, il a été joint au téléphone depuis la France. Il pense que la décision du président américain d'interdire aux citoyens, notamment libyens, soudanais ou encore somaliens, d'immigrer vers les États-Unis d'Amérique est une décision très grave et lourde de conséquences et est anticonstitutionnelle. Sachez enfin que l'Union des étudiants des instituts et écoles professionnelles et techniques du Niger, UEPTN, a lancé ce matin à Niamey un ultimatum de 48 heures aux autorités pour exiger la prise en compte de ces revendications. Quelles sont les raisons euh, de, ce, de cet ultimatum Nassir Moukela, secrétaire général de l'UEPTN, au micro de notre reporter Assoumana China. Nous avons décidé hier de lancer un mot d'ordre de suspension des activités académiques et sportives au niveau de l'ensemble des écoles professionnelles, les instituts, les centres de formation, les universités, les écoles de santé et les CET. Nous avons décidé de suspendre pour 24 heures pendant la journée d'aujourd'hui en guise d'avertissement. Et nous avons accordé un ultimatum de 48 heures demain et après-demain pour les autorités en charge de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle pour pouvoir solutionner les revendications posées. Passé ces 48 heures-là, nous allons nous retrouver et adopter les méthodes de connues de tous pour nous faire entendre et nous rendre seuls et uniques responsables ces autorités-là de tout ce qui adviendra. Les revendications sont connues de tous. Nous avons premièrement demander le départ pur et simple du ministre en charge de l'enseignement professionnel. Et nous demandons son départ immédiat. Le nouveau ministre, il était arrivé à la tête de son ministère, du ministère de l'enseignement professionnel. Il nous a trouvé en mouvement. On était dans des manifestations. Nous étions nous-mêmes partis vers lui pour demander de créer les conditions pour négocier autour de la plateforme revendicative de l'UEPTN. Il nous a demandé de lui accorder une semaine, seulement une semaine, le temps de faire l'état de lieu de ces revendications-là et revenir autour d'une table pour négocier. On a attendu du 25 octobre, je précise bien du 25 octobre. Aujourd'hui, nous sommes en fin janvier et il ne nous a pas appelé pour négocier autour de ces problèmes qui minent les établissements de nouveaux moyens. Pire, nous-mêmes, on s'est déplacés pour demander audience à trois reprises. Finalement, nous avons compris qu'il a un calendrier politique surchargé. Eh bien, nous avons demandé au président de la République de les décharger, de les remercier. Il n'a qu'à s'occuper de ses activités politiques et nous nommer un ministre plus compétent, un ministre peut-être qui sera disponible pour écouter les revendications des étudiants et trouver rapidement des solutions pour sauver l'enseignement professionnel au Niger. Nous avons également décrit et dénoncé des violations de nos droits dans les écoles privées. Nous sommes une organisation légalement reconnue. On est autorisé à exercer nos activités. Mais nous avons des écoles en complicité avec des responsables au plus haut niveau qui nous refusent ces droits. Eh bien, nous avons dit qu'il faudrait que la liberté syndicale soit garantie à tous les niveaux. Imaginez des écoles qui font signer des étudiants qui viennent s'inscrire. Comme quoi, les syndicats est interdit de l'école haute. Des étudiants normalement, il y a des modules à enseigner qui nous ont également des droits et des droits au niveau international reconnus. Et nous avons également dit, on en a assez par rapport à ces écoles-là qui nous forment mal, par rapport à ces écoles qui nous enseignent dans des frilets qui ne sont pas autorisés, et par rapport à ces écoles-là qui sont en train d'exercer en violation flagrante de la réglementation. Maintenant, nous ne donnons plus un temps. Nous avons dit, nous exigeons la fermeture immédiate de ces écoles-là. Imaginez une école, on vous forme en droit, en fin de formation, on vous délivre un diplôme en commun. Vous allez être un juriste ou un journaliste, nous posons la question. Vous imaginez une école de santé où on forme des étudiants en santé. C'est dans une maison, trois chambres salon, ni infirmerie, ni laboratoire. Il n'y a pas de travaux pratiques. Nous nous posons la question si véritablement on est en train de former des agents de santé, des médecins ou des criminels. Voilà, Nassirou Moukela, le secrétaire général de l'UEPTN, l'UEPTN qui menace d'aller en grève et pour exiger la satisfaction de, de sa plateforme revendicative. Ainsi prend fin ce forum. On se retrouve demain avec d'autres thématiques, demain, à la même heure et aux mêmes fréquences. Bonne soirée.